Bonsoir à tout le monde. il me plaît aujourd'hui d'être présente parmi vous. Doublement, un plaisir doublement, À ma qualité déjà de directrice générale du Fonds de financement de la formation professionnelle de 3FPT, qui est un instrument majeur qui vise la formation des jeunes en formation initiale, continue, pour tous les secteurs. Et nous reviendrons plus en détail tout à l'heure même par rapport à l'intervention. Et donc le 3FPT forme les jeunes, mais forme également les salariés des entreprises pour plus de productivité et de compétitivité. Donc il y a un peu d'émotion, parce que Moustapha Goudjabi, je l'ai connu, j'ai connu M. Moustapha Bouyadi quand j'étais à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, un autre était de la Fédération de basket. Et les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure, nous les confirmons. Nous accueillons sa famille qui arrive, on les laissons s'installer. bonsoir soyez les bienvenus je suis Sophie Diallo directrice générale fonds de financement de la formation professionnelle donc quand on parle de fonds de financement de la formation professionnelle nous nous occupons de la formation des jeunes et des femmes en formation initiale mais également la formation des salariés et des entreprises pour plus de productivité pour plus de compétitivité également donc le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique dispose de quatre guichets. Le premier guichet, c'est le guichet de financement des demandes individuelles. Donc, dites le financement, je ne sais pas hein, en français ou en si j'ai vu les témoignages. Donc, quand on parle du fonds de financement de la formation professionnelle et technique, le guichet de financement des demandes individuelles, ce sont les jeunes qui font des cursus classiques, mais qui veulent être orientés dans les formations professionnelles, les métiers. Le guichet de financement des demandes individuelles également, ça concerne les jeunes qui sont issus des bouches vulnérables, les jeunes qui sont dans les arts, qui n'ont pas peut-être fait de formation, mais qui ont un métier. C'est vraiment rappeler que notre orientation, c'est la formation professionnelle et technique. On le dit souvent, un pays ne se construit pas seulement avec du verbe. On a besoin des fonctionnaires, on a besoin du verbe. Mais les vrais acteurs de développement, ce sont les personnes qui font les métiers. C'est grâce à ça, en fait, réellement, que l'on développe un pays. Il faut des infrastructures, il faut des routes, il faut des la culture urbaine, il faut des bâtiments. Donc vraiment tous les secteurs professionnels, c'est dans ça qu'on forme. Les sortants de Dara, les artisans, les couches vulnérables, les migrants de retour, tous les secteurs vraiment sont formés dans les guichets de financement des demandes individuelles. Un second guichet le plus important, c'est le guichet de financement des entreprises et organisations professionnelles. Donc les salariés des entreprises, quand une entreprise a une filière, on a vu la Covid, il y a eu beaucoup d'incidents, donc des entreprises ont fermé, d'autres ont dû se réinventer, créer de nouvelles filières. Donc le fonds de financement de la formation professionnelle accompagne ces entreprises dans le développement de leur plan de formation, pour plus, pour créer de nouveaux produits ou bien pour développer justement les formations qu'ils avaient déjà. Un troisième guichet, c'est le guichet de financement des établissements publics de formation professionnelle et technique donc quand on dit on accueille les formations, il faut que les établissements qui accueillent ces formations-là soient également en mesure de les faire ces formations. Donc il faut un environnement, il faut des équipements, des nouveaux bâtiments. Donc pour les établissements plus de formation professionnelle, nous les accompagnons dans le financement par la construction, par également l'équipement de matériel. Et enfin, le quatrième guichet, c'est le guichet assurance qualité. Et dans ces interventions, justement, donc, nous avons eu à accompagner l'association des managers et agents d'artistes là-bas, hein, ce qui vaut notre présence ici, et nous avons eu à accompagner près de 213 personnes. Donc on a fait des formations en régie technique son et lumière, production pour 90 personnes, infographie logicielle de création visuelle pour 90 personnes, formation en gestion des projets également pour 20 personnes, du développement personnel pour 13 personnes. Et j'imagine c'est vraiment sous la présidence de M. Moustapha Goudiabi, alors que M. Moustapha a était alors secrétaire général, de ces initiatives pour être Entreprises. Et aujourd'hui, c'est qui vaut la présence du Fonds de financement de la formation professionnelle ici dans ce hommage. Je le disais, j'ai un double plaisir par cette présence-là parce que j'ai eu à connaître M. Moustapha Goudiabi. J'ai regardé les SMS qu'on s'est envoyés, je pense, en 2012, alors que j'étais encore à l'Université Gaston Berger dans le cabinet du directeur, l'ancien ministre, professeur Marie Nian. Bon, il était dans la fédération de basket. Donc, un homme vraiment disponible, généreux, et je salue la présence de Paco, le supporter national, qui nous avait en son temps également présenté avec le président américain pour la partie sportive, parce que je ne le connaissais pas artiste. Je l'ai connu sportif, mais dans les témoignages, M. Guisselper, M. Kassandia également, vous avez fortement rappelé ses ces orientations sur ces deux. C'est vraiment pour cette raison que j'ai tenu à personnellement être présente, malgré que l'information n'est pas parvenue tardivement. pour vraiment rendre hommage à ce monsieur di ko ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana yàlla na saraxam yàgg seen loxo vraiment je pense que ni une de vos son may wax man dama tudd Sophie ñu ngi mel ni tam am na ci famille na benn bés vraiment ñu may ñu jéem a woo man woo ma mooy jéggalu ci loolu noonu vraiment maa ngi koy maa ngi leen di ñaan vraiment yéen ñi koy jël ko jàll yéen tam ay mbokkam vous l'avez dit tout à l'heure monsieur Kono. vous l'avez dit monsieur monsieur Ndiaye donc il est important qu'on pose des actes aujourd'hui le Sénégal c'est 77% de la population à moins de 35 ans ça veut dire que 13 millions Sénégalais moins de 35 ans ce sont des signes potentiels par rapport à nos interventions donc nous, ressources mais il nous faut intervenir dans ces actions là avoir des actions à fort impact. Et quand on le dit, comme on dit, le développement d'un pays, c'est l'ensemble des métiers et ça ne se limite pas à un secteur. Vraiment, nous espérons poursuivre cette collaboration, cette innovation, renforcer la capacité de nos acteurs, des agents, des managers et autres. Ça permet en fait de disposer des ressources humaines de qualité. On a vu ce qui se passe ailleurs. Les pays sont des références par rapport à ça. Donc quand les managers, quand les agents sont professionnalisés, quand on les accompagne à mieux exécuter leur travail, naturellement, les acteurs, les artistes ne peuvent que mieux se porter et c'est ça qui porte réellement le développement. Donc nous nous engageons à rester à vos côtés pour soutenir ces initiatives-là. Je vous remercie.